il respecte toujours les ligues. Toujours. Sa singularité vient de ce qu'il se donne la liberté de faire tout ce qui n'est pas interdit. Ses nombreux disciples, malgré ses 60 ans qui en font cependant un déchet du mouridisme, sont de tous les pays, qu'il s'agisse des États-Unis, de la France, de l'Espagne, de l'Afrique, de l'Italie, entre autres. Kokoe, cher Amadou Quel est donc le mystère qui attire chez l'homme Une certaine lumière, disent les disciples. Nul ne doute que l'homme est attirant toujours habillé avec élégance, raffinement et originalité. Et le livre est un exposé d'une rare précision de la Mouridia dans ses fondateurs, dans ses fondements religieux et sa doctrine sociale. On sent en cas et tout bas un lien très mystique

On se souvienne des grands hommes en produisant des œuvres fortes et révélatrices de leur génie, de la fulgurance de leur message impérissable, de leur lumière sur le monde et la solidarité spirituelle entre les peuples et les nations. Tel se révèle à nous sur Touba Radibarasoui. N'écrirait-on pas sur lui son nom seul suffit désormais pour l'aimer. Mon des morceaux, le respecter et remercier Dieu de nous l'avoir donné comme le meilleur gâteau du siècle. Le mérite de cher Armando Karambake est d'avoir pris sur lui d'écrire sur une figure dont on ne sait combien elle lui est si chère. En effet, toute sa pensée, toutes ses énergies, toute sa vie sont puissamment tournées vers ce de la rasoul Il en a fait. Euh, euh, il chante un homme avec une telle beauté que son chant vient ajouter au récit historiographique du maître. Nu en disant Je suis particulièrement honoré et fier d'avoir été invité à poser humblement quelques mots dans ce livre consacré à Sering et de participer ainsi à louer ce diamant de l'islam dont le prophète fut la seule obsession. Symbiose et les vivres en commun sont reconnus et appréciés de parlement. Ce Touba, Radim par la grâce du Dieu puissant est venu par la force de son message, la grandeur de sa vie, humble et souffrante, nous montrer le chemin qui conduit à l'espérance et au travail. Il restera l'exemple, il restera le modèle parfait il restera pour nous et pour le monde ce que Dieu donne le mieux aux hommes pour les sauver. Ce livre de cher Ahmadou Karambake Noreni restera, restera. Tout ce qui élève Touba sera élevé. Telle est ma prière pour l'auteur et le poète de ce solide travail qui nous réconcilie avec un guide, être le meilleur d'entre nous. Et n'ayant pas peur, avançons ensemble. L'enseignement de nos sages, dont celui de Cheikh Ahmadobamba. Alors notre peuple, adossé à une foi revivifiée, atteindra malgré les il que tu riche le but qu'il s'est fixé. Et là, je marque ça. Sering voici les trois préfaces écrites par les trois chefs d'État en vie. Konagani, Nyom, Neonifi, Amnamirin Fiptewan, Nikiapende Nigifi.

kon nag su ko defee euh, sama xarit mon très cher ami le médiateur de la république ñu ngi voilà un homme extrêmement éloquent il fascine par son verbe les hommes il fascine par ses mots et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'entends chaque fois parler. Excellence et salutations.

ñu def ko ak xol bu sedd guy mu rëy itam ci ñun lool ndax yow soo wootewul sax ku ci nekk ci ñun dafa war a teew ci sa wet boo fett su woon rek te ñu nekk fa àddina jeexe bu toqee suñu nopp rek ñu war ñëw daw sukk ci sa kanam ndax xam nañ ne am nga maqaama am nga martaba am nga ñaan bu nangu pour que nous C'est avec ainsi donc un plaisir incommensurable que je comparais devant vous, auguste assemblée de l'islam au Sénégal et dans le monde. C'est avec bonheur que je comparais devant vous, grande famille que nous avons en partage, cette famille qui est sous la coupe, le commandement, la direction, l'administration de celui-là qui pour nous est la somme de toutes les excellences. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir des hommes qui ne sont pas seulement des hommes de conviction, mais qui sont des hommes qui transcendent l'histoire et le temps. C'est là qui, pour nous, ça fait la différence entre les anecdotes qui nous font cogner les murs ou détruire des poteaux électriques et l'histoire. Une histoire du réel. Une histoire, somme toute récente, mais très ancienne dans le temps, parce qu'engoncée dans le Sénégal et le profondeurs. Celui-là qui n'a pas fait l'Amérique, celui-là qui n'a pas fait la France, celui-là qui n'a même pas fait l'Égypte, celui-là qui a tout appris et tout exécuté, tout mis en œuvre ici à partir du Sénégal. Que ce soit le Bawal, que ce soit le Kadior, que ce soit le RIP, que ce soit le que ce soit ma chère ville de Saint-Louis. Je vous remercie, Il a très vite compris cet enseignement divin inscrit dans le Coran que le blanc ne vaut pas plus que le noir et que le noir ne valait pas plus que le blanc que le plus estimable d'entre nous est celui qui le craindrait le plus. Voilà qui nous a permis de fréquenter l'école française sans être français, sans même nous départir de notre négritude, mais sans avoir à le crier partout où nous sommes. Nous voilà qui avons appris la culture de la France, mais en étant hermétique par rapport au nôtre, parce que le français n'en a vécu. Voilà celui-là qui n'a été reconnu dans ses mérites qu'après moult tests, moult souffrances, qui revient glorieux au point, de faire en sorte que les Français tortionnaires reconnaissent en lui un érudit, un homme respecté par son peuple, un homme qui ne fait de tort à personne, un homme à qui, disent-ils, chacun d'entre eux devrait pouvoir ressembler. mais ñun la ko may mu ci ñun la tous les attributs Cheikh a tous les attributs qu'aucun d'entre nous n'a mais nous ne l'avons pas perdu, nous avons juste cessé de le voir. Mais nous continuons de vivre exaltés de par l'héritage qu'il a laissé à ses petits-enfants. C'est cher Moudou. Vous êtes un heureux récipiendaire de ce legs de Cheikh, Al-Khadim. Vous n'avez de complexe vis-à-vis -vis de personne. Vous avez su dire et vous savez dire et vous le faites tout ce qui est la vérité, car cela seul importe. Vous n'êtes un laudateur de personne, ni vous, ni personne dans votre entourage. Vous méritez le respect pour tout le monde. Vous n'écrasez personne pour vous élever. Vous avez pour nous beaucoup de condescendance. Vous avez pour nous beaucoup de respect. Vous avez pour nous beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. C'est au nom de cette amitié c'est au nom de ce respect, c'est au nom de cette volonté de nous avoir à vos côtés et de nous élever avec vous que vous nous avez fait honneur ce soir. Mais c'est également au nom de toutes ces valeurs conjuguées que le président Abdou le président Abdoulaye l'extraordinaire président Quand on se promène sur l'ex-rue de M. Ahmed Bamba, ne regardez pas sur la gauche. Vous allez tomber des nues devant cette extraordinaire œuvre que les Mourides ont bâtie en son honneur. Pour célébrer ce courage, vieux de plusieurs siècles, bientôt il va y avoir un siècle, de creuser et d'extirper de cette réserve foncière du Cap-Vert, extrêmement rare, un patrimoine colossal, et de le consacrer à cette mosquée qui marque encore une fois, si besoin était, la présence de Serine Touba dans la capitale du Sénégal. Cette présence de Serine Touba dans la capitale du Sénégal qui efface toutes les affres qu'il a subies depuis le 5 septembre 1895 à Saint-Louis jusqu'au moment où il embarque à bord du navire Ville de Pornambouc à destination du Cameroun. Il savait qu'il reviendrait triomphal. Il a dit à Saint-Louis, je marche avec les droits je marche avec les justes. Je marche avec les preuves. Il l'a répété à Dakar. Dieu m'a fait savoir au moment où j'embarque dans ce navire que j'ai été élevé au grade de Khadim Rousseau. Vous êtes Khadim Rousseau. que personne n'en doute, parce que lui-même a prié qu'à sa suite, que Dieu accorde à chacun de ses petits-enfants toute l'aura dont il aurait pu se prévaloir pour continuer son œuvre sur terre. Que Dieu vous accorde santé, longévité, aura et clairvoyance. Que votre esprit, dans sa, sagacité, jamais ne s'efface. Et que vous restiez engoncés dans nos cœurs et dans nos esprits J'allais dire qu'ici dans les Écritures saintes pour des siècles et des siècles. Amen. Merci. Maître Ali Badrassissé, médiateur de la République. Je ne vais pas trompé en disant qu'il a le verbe incandescent, flamboyant, fantastique. Alors nous voudrions saluer la présence euh, des autorités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir répondre à l'invitation du général Guineyo Seri Babakar Sissé, représentant Seri Papmalik Malik Si porte-parole du règne général des Tijan. Gunuyu Serigne Mafal chef d'entreprise. Monsieur Alul Badara il est là, médiateur de la République. Azantine, diplomate à Dubaï. Serigne Khadim Baké Ibn Serigne Abbas Baké. Serigne Mamadou Kumbala, Serine Mamcher Baki Khadim Awapa, président AIS. Serine Nazir Diagne, du Imam Hassan Sek, écrivain. Serine Sambo Diop, Kulchina, honorable député Berissila, représentant le Parlement. Dine Yuyitam, euh, Mohamed Massamba président du Parti pour l'émergence et le développement du Talibé Maurice. Euh, fam qui est chef religieux et qui est ministre conseiller à la résidence moom nag la ñu bëgg a gi mu nuyu leen waxtaan ak yéen duggee itam ci mbir bi waaw kon nag ñu ngi wax Cheikh Abdou Bari Mbacké bu yegg si waxtaan ak yéen merci beaucoup ngeen nekk teewaat fii tey ci sa wet wante kàddu gi tey xam naa kaw doy waar ndax ginnaaw médiateur yaakaar naa ne kenn xamatul lay wax ndax wax ji mu fi wax am na solo am solo koo xamante ne bii ñëpp daw seen yaram kon ñu ngi lay sant di la gërëm te loolu rek la ñoo xaar ki taalibe Sëriñ Tuubaa bu mel ne yow di ñu ci li ñu sëñ wax muy ñu santal ganam gi fi toog kàddu yi ñu gàtt rek léegi sànni ci yëf yi ndax Cheikh Ahmadou Kara moom dafay suñu lépp ñu juddu ci kër soxna may fekk ku ci kër ga maa ngi jàkkaarloog suñu mbay moom di jàll lépp fekk na ko lépp seere la ci ma xam pas-pasam ci Serigne Touba nu mu ko jëmmale ci caatum ci Ahmadu Bamba moom yi nekk la lu ne mu séq ak moom ci ay teraanga soxna si tegoon ko foo xamante ne bii tegu foon ñu bari te loolu yemalewu ko woon ci soxna may ci mboolem njabootu Serigne Touba yëpp boo ko def kon bu la maître ne Cheikh Khadim nga loolu moo di Serigne Touba ngay dund sa lépp Serigne Touba la sa nga bu dul Serigne Touba loolu moo tax ba benn taalibe bu sëriñ bi bu am ci yow sago amut ndax foo teg Serigne Touba ci sa xol rek taalibe yi dellu njukkal

Serigne Touba ci façon bu nekk ni nga koy waxe ba ñëpp mën cee jot ñëpp mën cee jariñu ndax sëriñ bi la ko Cheikh Sidel Ba waxoon xéewal la gu suñu borom wàccee kon nag xéewal googu dañoo war a fexe ba mu tas ci biir àdduna ba kenn ku nekk mën a jariñu ci Serigne Touba bu ñëpp texe ndax moom ci boppam moo nekkat suñu borom nag ma def may njariñu nit ku ñuul di jariñu ku weex kon boo taxawee tey universalité Ahmad Bamba foog naa ne dafa jot sëkk moo tax dañ lay sargal ci li nga def di la ci félicité di xamal ne bunt la boo tijji boo xam ne sa maam moo la ko fi bàyyi loolu ndax weesu nañ jamono joo xamante ne bii dañu nekk rek suñ biir naan Mbacké busu Njaay Jóob man cee jot kon nga xam ne loolu ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw bokk ak yow boobu pas-pas fas ku ànd ak yow dina ñaanal rek sa maam kattanal la sunu borom may la ak wér ba nga àggale ko li nga xamante ne bii noonu nga ko bëgg ànd ko ak mbooleem mbokk taalib yëpp ñu gërëm yëpp di la aussi jot li nuyoo sa xarit président Macky Sall ñoo ñëw fi yëg na ma moom itam lii loolu aussi lu am solo la def mooy ñu préfacé titre bu téere bi président yi jiitu yëpp kenn ku nekk bind ci loolu di wane Sénégal li nga xam ne noonu la nekk benn ak continuité bi nga xamante ni bi mooy am ci biir réew mi ñu koy joxalante ci anam boo xam ne anam bu rafet lay doon lépp nekk njariñu Sénégal kon foofu aussi dafa am grandeur ak bonne gouvernance boo xamante ne bii loolu lépp dafay wane rek yow sa sa tolluwaay sëriñ bi kon aussi ñu lay jot di nuyoo mu ak muy fàttali kuréelam ci yow ak xaritam ci yow. pour en venir à l'ambassadeur de la Palestine excellence monsieur l'Ambassadeur, au nom de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nous vous remercions pour votre présence à cette cérémonie qui réunit aujourd'hui une bonne partie de la communauté mouride. Et une cérémonie qui nous réunit pour parler de l'universalité de Cher Ahmed Bambo. Comme vous le savez, Cher Ahmed Bamba a beaucoup œuvré pour l'islam. Il a contribué à vivifier la sunna prophétique. Et en cela, nous le considérons comme le continuateur de la mission du prophète. Et vous le savez aussi bien que moi, l'islam est une religion universelle. Et le prophète est venu pour nous montrer la droiture pour que toute l'humanité puisse bénéficier des excellentes qualités, de ces nobles qualités que Dieu subhanahu wa lui a attribué. Donc, Cheikh Bamba, à ce titre, ne peut donc être qu'une personnalité, qu'une dimension universelle à l'image du, du, prophète Mohammed et à l'image donc de l'islam Et c'est cela que Cheikh Ahmed Karam Noreni est en train de montrer à la face du monde pour que toute l'humanité puisse bénéficier de ce don de Dieu qui est chez comme l'a chanté un grand poète et soufi mauritanien. Donc soyez les bienvenus. Nous connaissons vos relations avec le Sénégal, mais surtout, nous connaissons vos relations avec Touba. Il n'y a pas si longtemps, vous avez offert une, maison, un terrain à la communauté mouride en Palestine. Donc Cela montre que vous avez donc des relations assez solides avec la communauté mouriste. Vous êtes présent dans toutes les assemblées. Donc, c'est cela pour ça que vous êtes là, pour magnifier l'excellence de ces relations. Et soyez-en remerciés. Et nous sommes derrière vous pour le combat que vous menez pour la souveraineté, pour la libération du peuple palestinien en de toute la communauté musulmane merci beaucoup d'avoir été merci donc euh, cher religieux je rappelle les ministres conseillers à la présidence de la République euh, euh, koo xamante ni Afrique da koo fonk gëm ko on commence Sénégal puisque la puissance de sa poésie ça dépasse nos frontières koo xamante ni ci académie française daf ko gëm moo tax nañu takkaloo ko benn raaya mi yëgu itam ci euh, poésie prophétique, parce qu'elle a produit un ouvrage poétique d'une dimension extraordinaire, s'appelle le prophète. Wartulier. Wartulier, c'est là, nous était qui bégaye de Dieu, il y a un petit. On est bien euh, rayon pour peu de fenêtre. Nous mettons des coins qui collent. Nous des c'est di deux jours envoyé do próximo.